Mayonnaise Chef Aïda, la référence. Yay Chef. Mère Vitalé, c'est le théour, mon cueilleur. Les poulets fumés attissent à la découverte d'un concentré de saveur. Yonema, un prix, livraison comprise. Livre Cuisine, la cuisine autrement. Donnez une nouvelle vie à votre intérieur. Maricha Couture. Salam alaikum. bienvenue ñuy cette ci émission appétissant di vous présenté un plat tey nag dama filet de sole pané et comme entrée ma leen di defaral des tomates farcies comme accompagnement des pommes de terre à la suédoise pour cette entrée tomates euh, tomates farcies. yi dinaa soxla des tomates dinaa soxla de la crème fraîche dinaa soxla du jambon de bœuf viande hachée des cornichons samay épices moulini, poudre d'ail amna cumin du sel du poivre du fond de veau à poudre de laurier pour filet de sol panébi bi am euh, filet de sol, du citron de la tomate cerise amna des œufs de la farine de la chapelure amna des oignons des feuilles de basilic du persil et du piment lii sauce la siy defar sauce bo xamné ni nii day filet de sol bi pomme suédoise aussi day andak filet de sol bi mu ngi nii am samay pomme de terre amna euh, de l'emmental râpé du thym ak épices yi ma leen énuméré woon huile chef Aïda mu ngi nii ci bir waañ bi tout simplement délicieux momay may mayonnaise chef Aïda également xamna né mom mom dinañ ko itteewoo mom tamit ci euh, suñuy dégustation plat donc dañuy djublu ci togg bi alors je jël mes tomates préalablement lavées je tiens à préciser aussi que les duñu ko parce que c'est à titre décoratif après di vais enlever l'intérieur léegi dama len di salé dëppaat ko ndox bi mën ga gaaw wàcc léegi damay commencer léegi ñëw dagaté samay samay samay herbe basilic euh, persil ak cornichon bi jëlale sama poêle ñëw tek ko au feu pour euh, la préparation de la farce j'avais déjà allumé le feu et damay ñëw mettre euh, sama poêle def ci euh, benn filet d'huile chef Aïda À ah, tout diw bi avant de euh, commencer ma préparation Et pour faire farce bi oignon bi laay rôti. léegi damay tout de tout Je je mets la poudre d'ail relever goût ma le fond de veau le poivre, le sel, on va pas abuser parce que fond de veau c'est déjà salé. Enfin le laurier, la poudre de laurier. Je bi commencé na am couleur bu rafet machallah allah mën euh, def légumes j'en mets une partie euh, du persil une partie des feuilles de basilic et une partie du piment haché et je rajoute les cornichons découpés damay bàyyi tuuti sama sauce bi daal di ñor ma rapproché sama viande hachée rapprocher euh, jambon de bœuf les œufs et la crème fraîche Sous sauce bi ñoree rek day ñëw fekk ci viande hachée bi fekk ci jambon bi ma ajouté ci sama crème fraîche ak euh, benn sauce bi mën nañ ko donc j'attends le feu ma daal di sama benn assiette bu gën a ma def ci sama viande hachée léegi mën naa jël sauce bi def ko si def le jambon de bœuf mélange avoir ma de euh, crème fraîche bi ak euh, nen ajouter deux cuillères de crème fraîche de di continuer sama mélange On tomates, commencer disposer nos euh, tomates. ci suñu moule à gratin léegi dañuy ñëw def ci farce léegi def naa farces, farce léegi dama koy ñëw recouvrir par des euh, têtes voilà léegi dama ciy def benn filet d'huile chef Aïda Là, di ciy def euh, chapelure pour mu am benn effet bu bu croustillant non voilà léegi samay tomate farci pare na mën naa ko ñëw euh, au four préchauffé naa ko ba pare léegi dama koy enfourner benn 45 euh, minutes disons léegi nak damay ñëw euh, jublu ci sama plat raxas naa ko ba paré, ma ñëw trancher pomme de terre yi commencé woon naa déjà dama koy trancher soit pour auto, dagg ko aussi peau bi tamit dindiwuma ko voilà Légui damay disposer pomme de terre ci moule à gratin bi ma jël sama sama bouteille euh, huile chef Aïda daal le tout tout direct. commencer à commence à assaisonner pommes de terre Les léegi commencent déjà commencer déjà faire euh, samay épices ail bi petit cumin euh, un peu de poudre de laurier daal di tout tout temps léegi nag ci tranche bu nekk foog ma def ci euh, emmental bi 40 minutes su génnee je vais faire siy def samay herbe ak euh, du sel et du poivre Je ko. Euh, terminer par euh, les filets de sole pané donc dama vais faire du jus de citron. ma daal di salé poivre voilà Fini. amna chapelure am aussi farine amna des œufs léegi farine bi dama koy ñëw euh, def directement ci sama assiette def chapelure bi ci benen assiette bi Je mets du poivre sur euh, les filets de, de sol. J'ai trois œufs. Ajoutez-y sel. Poivre. Un peu de poudre d'ail. Là, le encore. voilà Oui, damay vais samay filet de sol ma daal koy euh, rouler ci farine bi daal koy euh, dougal ci euh, nen yi nga xam dama ko battre terminé par euh, la chapelure su ma paree daal di koy saf Euh, eh, les mains en l'air général à Karak Braque numéro 4. déjà sama l'air. <laughs> mon père est ceinture noire karaté 4e dan et mesure 1 m 4. Ma mère est célibataire depuis 4 ans et mesure 1m4 aussi. J'ai 4 frères, l'un est à Qatar, en 4e année de l'université qatari. L'autre, c'est un nullard, il fait la 44e fois la classe de terminale. L'autre, il est dans le jardin, les 4 vents.

ah première fois bi may defar rouille. yi ñëpp a ko lekk daal. ñëpp a ko lekk. kese man de xamante lan laa def. filet euh. de sol pané accompagné de pommes de terre à la suédoise. Ah. comme entrée am nga ay tomates farcies am nga comme accompagnement des pommes de terre à la suédoise. ok Khadija loo de comme dessert. tartelette aux fruits rouges. tartelette aux fruits rouges. beral nga loxo tey nag sama xarit bi. sama ex xarit bi ex bàyyi excisé. sama ex xarit buñ ko excisé. ah yow yaa <laughs> ngi mais problème bi mooy li ngeen togg nii. Hmm. ak yow li nga ma waajalal. mën mhm. naa cee kontaan ba yëy gaz bi fu toll ma suuf. kon xam nga lu ñuy def balaa yooyu di ci am njombe di am ci kër gi ngay dem toog Khadija installé la ma eggali sama friture. après ñu passé à table. jeex na loo def gën loo def. su ma ñu xuloo. maa ngi yow du yow déjà tu es en sécurité. verte nga sol. <laughs> de retour dans votre émission préférée appétissant alors tey ben dessert bu neex bu yomb la len indil lolou tartelette aux fruits rouges pour nak ñu defar suñu tartelette dañuy le farine nen touti ndox fruits rouges sel sucre tuuti farine tamit encore pour crème avec ak euh, essence vanille maisena, sucre glace ak beurre ak sama xarit sama àndandoo à chaque fois kooku moom mooy ci sama dessert sama dessert bu nexé c'est surtout grâce à lui kooku moy les vitales les entiers stérilisés bi laay utilisé ma sàcc wax len nak dessert bi bokk na ci ci dessert bu mu gëna a neex ba tax na su koy defar damay kontaan Mélangez la farine et le sel dans un plat. Ajoutez le beurre puis l'incorporer à la farine en pâtissant rapidement et légèrement du bout des doigts. On doit obtenir une sorte de semoule grossière en 2 ou 3 minutes. Incorporez rapidement l'eau, il en faut très peu pour permettre à la pâte de se lier et de faire boule. Pour étaler sans problème, étaler la pâte sur du papier cuisson et découper en carrés. Façonnez les tartelettes avec les moules en enlevant les excès de pâte. Dans une casserole, versez un demi-litre de lait Grattez un demi-gousse de vanille avec un couteau et ajoutez les grains ainsi la cosse au lait. Portez le lait à ébullition sur feu doux pour bien faire infuser la vanille dans le lait. Séparez les jaunes des blancs de 5 œufs et les mettre dans un saladier. Versez 100 g de sucre et battre vigoureusement avec un fouet jusqu'à ce que le mélange blanchisse et que les cristaux de sucre soient dissous. Ajoutez progressivement 60 g de maïzena à défaut de farine au mélange jaune œuf et sucre mélangé délicatement de façon à ne pas former des gros Une fois que le mélange est bien homogène, versez la moitié du lait parfumé à la vanille tout juste bouillant sur l'appareil à crème. Mélangez d'abord délicatement puis de façon énergique pour bien détendre la crème. Lorsque la crème est bien souple, la reversez dans la casserole avec la moitié de lait restante. Replacez la casserole sur le feu doux, mélangez sans cesse jusqu'à l'apparition des petits bouillons qui coïncident avec l'épaississement de la crème. Cette dernière doit rester souple pour finir. Lorsque la crème est suffisamment cuite, éteindre le feu et continuer à la fouetter pour qu'elle refroidisse plus rapidement. Enfourner les tartelettes lorsqu'elles sont dorées, sortir du four, laisser refroidir et décorer de crème pâtissière et de fruits rouges. Bon appétit. merci. merci. Khadija est-ce que dooñu ñu baaxee mayonnaise bi li ngay lekk nii est-ce que xam nga ni sax boo ci deful mayonnaise chef Aïda li nga soxla yëpp est-ce que di nga am. Hmm, c'est que problème bi mooy man li may hmm. lekk nii. Hmm. neex gi mu neex a jéggi dayoo. xaaral ba mu defal la mayonnaise chef Aïda. ñu xool chef Aïda lu muy indi. xaar ni sax la koy ñëmé ki dama koy gis nga maam xam nga suñu maam dañu fonkon loxo ak euh, pain ba tax na dañ daan ciap té ay chef da nga wax ñu xol chef da gis nga buñu ñu ni kay nga nga ciap ko brut hmm yegg na fu mu jëm de fu mu jóge la moma moo ay da kay ngi ni rek nañ ko def ni ko yalla def xam nga légui man mom la laa leen dafa laaj mm-hmm. Mm-hmm. nga expliquer moi c'est quoi le jeu

si on me donner la différence entre le théâtre mhm. et le cinéma définir le genre exactement les points de les similitudes mhm. et les points de convergence qu'il y a entre le théâtre et le et le cinéma d'accord Bonne 4 dans la quatrième art Bonne 7 la jox e art euh, qui dit 7e art du cinéma qui dit 4e art du théâtre. 4e ah, art voilà léegi euh, dama lay jox ay exemples du terre à terre après loolu rek devant que dina matale définition. Mhm. tey jii ni naturellement su ma toogee ak Khadija je parle Khadija comment tu vas. bien yaa ngi ci jàmm. Mhm. xam nga parce que voilà peut-être da ngay rythme bi ngay waxee nii parce que da ngay am caméra da ngay am perche day motali loolu. Mhm. loolu da ngay xam ne rythme cinéma la. euh, je veux dire par là euh, nit day toog këram di seetaan téléfilm certain euh, cinéma série ne la maa ngi théâtre en fait le théâtre se passe sur la scène Moi, que je suis nit train de biyam dem scène. Sorano public est en toog di joue sur scène donc am interactivité entre comédien et le public Il y a un spectacle day ànd slogan le spectacle au plaisir du public au plaisir du cœur parce que tu te fais du plaisir si bu fekkente ne situation boobu la théâtre là, tegal nañ ma chaise tegal Khadija chaise ñu wara jouer c'est day gëna large loolu jeu théâtre mo gëna a large. moy da nga Khadija yow waaw na man loolu théâtre la parce que public bi moo euh amo perche amo caméra mais interaction bi am la. Mm-hmm. donc différence théâtre ak cinéma je pense que loolu rek mën na ko quoi mais euh, public bi ci boppam. ñoo euh dëggantaan théâtre ba série yi ñuy gis la ñuy théâtre donc tout le temps donc eh, spectacles. Ah, ah, spectacle parce que ñun terme que la utilisons, spectacle Nous avons invité le théâtre. Mm-hmm. spectacle ah, mm. spectacle ça donc man je dis que public est motivé, le théâtre dina dina et puis les euh, yi tamit produire en vrai donc jouer, c'est tellement tellement dafa réel tellement tellement Ben, je me demande ça. est-ce que y a génnee ci mbedd bi dañu yaakaar qui est dof la. man bëgg le xam le succès personnage pour Nox et Nox et qu'est-ce que ça te fait que de jouer, un personnage boo xamante da nga bizarre et tout. du plaisir ça me fait du plaisir. Mm. Euh, parce que déjà le jeu c'est du plaisir quoi nit faaw nga bëgg ci li ngay def pour mën qui est kii seetaan c'est comme booy jouer avec ñaar ñaari nit quoi euh, émetteur là ak récepteur tay di buma la messager léegi mënoo ma tontu te lire ko ce message faut nga jël sa téléphone go ubbi nga xol lire message donc nga mën a tontu bind. donc fofu la genre li ma don def dama ko yëg dama ko sentir moy que tooguma xaar ba ñu ne ma lii nga war def ma doog liggéey loolu quoi c'est un travail en amont déjà euh, il faut que ñun étant acteur. ñuy teel a liggéey loolu genre personnage mooy gis nga ni ngay amee sa yére di xëy sa armoire xëcc sol yére bi xëcc non bii neexuma

<laughs> en général film suspense sincèrement pour dire vrai je te préfère si un petit spectacle. Mhm. voilà man man spectacle je je sens euh, recevoir euh, émotion de' bien sûr. déet da nga ñaan dara li dara la jus la maa ko doon may la ko jëlal nga nan <laughs> ah jëlal jëlal nga nan puy <laughs> ma merci. waxal rek li nga bëgg li mom hmm nak seen keuf gi mom war ngeen ci waxat de. ak rasulilah. daal mënul ñàkk benn talent caché bu nekk ci yow. may ñu dara. talent caché. may ñu dara. dara comme lan par exemple. ya soit da ngay lepp wala nga way wala nga fetch wala nga imiter wala nga def dal lu la. nga rap. J'ai horreur de ce nouvel monde qui consiste à être sympathique. On se frotte à n'importe qui. On lèche, on se fait lécher, on jette, on... Dans la patte, on dans un contexte sympathique qu'elle chie... Eh, le talent de romancier n'est pas justement d'inventer des détails qui ne s'inventent pas et qui ont l'air vrais. car une page sonne authentiquement, on ne le doit pas à la vie, mais au talent de son auteur. La littérature ne bégaye pas son existence, elle l'invente, elle la provoque et elle la dépasse. Je m'en fous. De... D'abord au mi ngi tuuru na en tout cas c'est un plaisir. chef Aïda, la référence. Yay, chef. Vitale, c'est le théour, mon cueilleur. Les poulets fumés attissent à la découverte d'un concentré de saveur. Yonema, un prix, livraison comprise. Livre Cuisine, la cuisine autrement. Donnez une nouvelle vie à votre intérieur. Maricha Couture.